Still Vitalis by Sivop. Mount Fresh l'original même ñu tàngal bi différente fait Mount Fresh. Diwan décor décorel Destination Sénégal, agence sénégalaise de promotion touristique. Cité Tobago avec Structure Bay. Marodi remercie Radisson Diamniadio. Ça marche. Appelle Monica. Qu'elle prépare mon billet. Je dois être dans le premier vol de demain. takkal sa fit. may yow taxawal fii xaar maa ngi koy coaché. confiance ou pas. Écoute, c'est pas le moment. Quoi. Là, on est là pour s'amuser. Gis nga lépp ngi ci yoon. ay vingtième anniversaire yi yow xam nga ne indiwuma fii. non da nga may wóolu wala wóolu bonsoir. Chabi. Doudou. ça va. ça va. Chabi. Mhm. Ben, écoute-moi. Man, j'ai une dette familiale. Hein. Eh Ben Sanglé, lui Excusez-moi, mais... Je vous ai pas invité à ma soirée et puis... Euh, vous êtes là, en fait. Hey, non, hein? Ni mina là. Iman kenya la. ma loo may est là. waaye balaa est dee Pod dina ma ñëw jël si. Ni, ni il

que j'ai 19 en maths, 20 en dictée et 18 en géographie. Mia, tu as fini Oui, oui. Bonne journée. Marie souhaite-moi bonne chance. Si tout se passe bien, contre Abina. que Bonne journée. Parfait. C'était tout Ouais. Ok, merci et bon voyage. Merci. Euh, j'allais oublier. Et la soirée à laquelle vous étiez invité, je fais comment ah, Je dois bien me représenter. Et sois à la hauteur. <laughs> D'accord, parfait. Merci. Au revoir, Monica. bàjjen pourtant man xiif mu sax. waaw xam naa ne xiifoo waaye dangay def dara sa biir. d'accord pot li nga nekk nii du dëgg du yoon pot Eva sa jabar boobu léegi muy liggéey di indi ci kër gi. liñ jox vraiment bàyyiwuñu benn yoon te man li ma jaaxal sa doom yi talatoo leen sax talatoo sa doom talatoo sa jabar pourtant sa jabar sa nawle la pot Eva sa nawle la bu mu la gën a gore mukk yaa ngi nii tëdd fi nga tëdd kenn xamul looy nurool pot lekkoo naanoo nungu wo dem liggéey lolou ba kagn suma ma nga juk fi nga tok nga dem liggéey parce que lu metti góor rek lay dal man xamna ni metti na metti na torop way da ngay muñ badjan dégg na la merci. di nga def li ma la wax. dina ko def. Evet.

mais ben, faut que ça me mi Mingi ma wékal lako fofu. ah ok. Wa boy..! non t'es pas sérieux toi. <laughs> non attends. T'es vraiment sûr de ce que tu dis? Ok, j'arrive. yàgg na. yaa man. yoo men. sa hôtel tante bi su daanu rek a daal. booy bul ko catu bul catu. waa yéeg. booy Marichou mooy Burkina. quoi gars yi lañ ko yóbbu. yow ba ñu wërloowe Saint-Louis ba pare léegi. Burkina nga ñu bëgg yóbbu. booy xoolal bu ma sonal quoi. booy gars wax bu bëri quoi. lan la. fils fils man c'est qui ta source. Billy. mais c'est qui Bill sama gagne, original kooku man ak moom nañ job RAS kooku RG renseignements généraux renseignements généraux maa la wax loolu man tu as confiance en lui moi j'ai confiance t'inquiète su dee li ngay wax lépp loolu leer na la dem oui par A ou par B dañuy dem dugal ko sa bopp et ton frère je m'en charge Bayego yi ba léegi frère ñu link dulu let's go

Minha? Vamos então. Bye. Bye. Momo, hana yero monyo. Momo lana tila. Ah, vou ligar. ñi yow la ñuy xaar gis Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe encore Pod il faut qu'on t'en parle parce que ça te concerne directement on a une piste pour retrouver Marichou quelle piste encore pourquoi tu aimes te foutre de ma gueule Moumou je suis fatigué je suis fatigué moo lan la. grand bii cette fois-ci c'est la bonne on a des pistes fiables Et yi am nañ ay gars yu nekk si terrain bi lépp leer na su dee dee ngay ragal man maa la a ragal dee foofu yow am nga jabar am nga dom. saa yi léegi mu am doom wala moo fi dara instant bi dem rek ci des. booy booy xam naa ne si toox yi doone rek laa lay dugal mais jamono ji su may xëy suba c'est pour rattraper ses erreurs. Le Burkina, c'est une piste fiable. Il y a des dengan au frère. La balle est dans ton camp, frère. laa bëgg xam est-ce que am nga xolu dem bàyyi ma fi ak sa njaboot loolu rek laa bëgg xam. Eva eh ben, s'il te plaît ne sois pas égoïste xam nga lan la du ma gis opportunité pour aller récupérer Marichou maanaam damay toog fii nii c'est pas possible. aha Pod yoon baa ngi nii demal yow façon bi li amé batay tey toppatoo woo ñu wante lenn rek la lay xamal li ma doon def rek lay defaat batay tey continuer toppatoo samay do man donc yoon baa ngi nii tout seul mënatuma je peux pas partir c'est pas possible mënatuma madame. dame famille amul lu mais c'est un devoir je vais revenir. Et je lui fais aussi la promesse. tu peux pas tu peux pas il y a un danger bi ngay fait <laughs> Move bientôt embarquer. Waouh Est-ce que vous savez qu'on a le plus bel aéroport de l'Afrique <laughs> Super. Bah, qui nous pote on embarque. On embarque. Ok. Et vous s'il te plaît, à ah, ce téléphone, hein, je passe un coup de fil. Merci. Allô, papa Oui, allô Mon bébé Je suis fâchée contre toi, t'es parti, tu ne m'as même pas dit au revoir. Non, yo, attends, c'est pas xoolal bul wax loolu su fekkente ne je ne t'ai pas dit au revoir c'est juste parce que du ma yàgg yow tamit. mais nga tàggu ma quand même. Mia waaw oui ma waaw passe ma sa yaay passe ma après on parle. d'accord. maman. réponds à papa. Mia va me donner de l'eau s'il te plaît. ok. allo. gis nga yow aw dara lu wax ak yow wax ak téléphone ngi j'ai pas envie de te parler. non Eva attends su fekkente ne man dama woote sa téléphone c'est parce que yow laa am envie waxal c'est pas avec Mia. eh da ngay wax ak Mia wala. non dafa Nank..! dinaa wax Mia après mais man yow yaa tax eh xam nga lan la. porte-toi bien. mon amour Eva. faut juste que tu lui laisses un peu de temps pour me digérer Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait le bon choix. loolu bul ci sax douter. Tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Tout va bien se passer, frère. moo tey de nii dañ jóge Dakar ñëw fii nga baye sa jabar ma bàyyi sama jabar dëgg la Marichou je tax ñuy def lii nii jaral je ne peux pas vivre sans elle mais Momo tey jii nii si lii yëpp ça Eva comment elle va vivre sans moi Momo dama njaboot Momo ba muy quitté Dakar bébé BBC da doon joy. booy c'est pleurer..! depuis aéroport ba nous rire riir sama nopp tu as peut-être raison. C'est risqué. Si on échoue, ta famille va devoir vivre sans toi. Ma femme aussi. Et je n'aurai jamais l'occasion de voir mon enfant. Mais Timan, échec bi la pote moy ñu togon Dakar xamna ne Marichou mu ngi ci àll bi ñu ne duñu def dara pour jëli on est là on reste focus ci luñu fi indi tout va bien se passer ce n'est pas le moment de flancher pas maintenant frère. yóbbu leen ma hôpital sama biir bi day metti yóbbu leen ma hôpital. Eh.. tu la fermes, ok Fais une nuit décidée. Bébé de métier. Ah, le baron est là. Bonne arrivée à Ouaga. Fraternité. À la fraternité. Alors, nous, Moudef Oui, Gorgoro. Ça va, ma poule Ram Mais waka dafa tànk tu as vu ok après ñu dem naani lu sedd dégg nga voilà ya eh eh papote doom bu góor doom bu góor bu tuuti s'il te plaît ah boo fi indee leneen foos bi ci suuf laay tëji dugal la ci biir të ñibbi Dakar pot pot On va boire ce coup. On y va. Allez. Mais quand même une veste. <laughs> Très bien, baron. Aïe, aïe, aïe. Écoutez-moi les gars, la vie c'est pas une question de morale ou de foi. Écoutez-moi bien les enfants, c'est important ce que je dis. La vie, ce n'est pas une question non plus de foi. Non, on vous perd. C'est une question de force. Il faut aller prendre cette vie-là. Vous avez compris C'est nous. C'est nous. Ouais, c'est nous. Eh. <laughs> yes, I. Wow. Nangadef. Wow. ça va. tu es sénégalaise sénégalaise non chef. ça va. yow il ko ci bi. Eh! a faire je reviens hein. C'est eux. Oui, Amadou allô, monsieur. Uh J'ai repéré tes gars. Ils sont en Ouaga ici. Attends, tu es sûr Oui, oui. Ok, très bien, merci. Pas de souci. Ok Baron, on a un sérieux problème. Ah ouais Bon. quoi ramassez, ramassez. Allez. Bien. Allez, les gars. Dis-moi, c'est quoi ce problème C'est la bande à Momo. Quoi Ils sont là. Comment ils savent aucune idée. Parfait. Ils vont devoir ramener la dépouille de Marichou c'est tout. Et c'est pour les funérailles. Alors, allons voir boire notre verre. Marichou yu quartier Kouritenga. actuellement c'est très dangereux pour nous. dem avons eu un moment accouchement où nous a dem fekk fa Marichou avec bébé pour récupérer parce que là c'est impossible. Billy les gars regardez ça c'est un un dit. Je ne peux pas me la mais c'est pas possible. je ne peux pas là actuellement c'est lui le maître du jeu a fait wax il est-ce qu'il a Tu as maître du jeu mais mon frère il a raison Ça Il wax Marichou lan Doudou Doudou dal Guy, li buñ ko grâce à eux dañu jóge Dakar ñëw ba fi on leur a fait confiance et on continue de leur faire confiance Billy on suit ton plan. Moumou xam nga lan Bon, écoutez-moi bien. pourquoi nous avons ñu bàyyi ba moment accouchement bi ñu dem récupérer Marichou c'est parce que moment bobu seen xel du nek ci accouchement bi n'oubliez pas les gars ils sont très dangereux voilà le plan c'est à prendre ou à laisser réfléchissez bien Ok Pote. Non, je marche pas. Khamlal, demain matin, je vais récupérer ma femme. Avec ou sans vous non on a ça une puis ça sama jabar tamit ils n'ont pas osé. Guy, toi, toi. peut-être ils ont laissé quelque chose ici. écoute on va la retrouver ne t'inquiète pas. c'est qui est sûr, elle était là. Regarde ça. Une réservation d'hôtel pour Bobo Dioulasso. Sûrement Bobo Lingoyobo. Ils ont dû être prévenus qu'on serait là. On y va. On va appeler Billy. Oh, y a dimbali Billy Écoute, c'est notre seule piste, ok? Man, man, sur ce coup, on ne peut pas attendre Billy. On est obligé de faire ça. C'est comme vous voulez. oh oh def leen nag def leen ngeen lii. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je peux avoir les pièces de véhicule, s'il vous plaît Il y a un problème, monsieur Non, je juste fait mon boulot. C'est quoi le problème Il n'y a pas de problème, j'ai fait comme mon travail. Je dois vérifier Allez-y. si tout est normal. D'accord, je dois vérifier la camionnette. Venez. Vas-y, ouvrez. C'est bon Merci. Merci et bon voyage. Il y a fouille, monsieur. Roger! pas vu, tu ne nous connais pas. On est clair Allez, disparais. quoi ça Tu peux m'expliquer Désolé, je, crois que j'ai. T'as quoi Pas. Bah, Agbo, tu peux m'expliquer là Merde. Merde ou quoi D'où vient cette fuite D'où Comment ils ont su que nous étions. Non mais comment Bon écoute. Appelle nos gars. L'accouchement va se faire à Abidjan. Et tu m'amènes ce putain de médecin. Tout de suite. Tu me l'amènes. T'as compris voilà la démonstration. Ça, c'est eux. Et nous, nous sommes ça. Les gars, t'as fichu la merde, j'ai dit. Et euh, pour la bande, on fait quoi d'eux Quelle bande Les... Les gosses, là. T'as pas vu la démonstration de tout à l'heure Nous sommes les crocodiles. Agbo. Et eux, c'est des poules. Faut veiller. Faut veiller. trop. On ne réfléchit pas trop. Putain, on veille. On surveille et on veille. C'est pas. Non, mais attends. Comment ils ont su que nous étions ici Comment C'est fou, quoi

non mais T'as xool yéen laay waxal doon ma faale de. boo waxee ñu naan ñaña ñi ñaña ñaa. Doudou tu nous emmerdes. on est là pour but bien déterminé. c'est de retrouver Marichou. tu as compris. restons concentrés et surtout discrets. Doule. Ah, ok ok d'accord noppi naa. man daal boo me ma gisatul maa ngi ci garab année..! mais toi Ben franchement à la fin tu fais chier quoi. Ah! kinh Okay, alih sini. Bye bye Pak Andili. Tu lekk mon frère tiens allez tiens. merci. et surtout vous pouvez rester ici tant que vous voulez. ok. merci. d'accord. excusez-moi. oui. je peux passer un appel. ah d'accord. allez tiens. merci. merci. tu

pas peur, petit. Écoute-moi. Je n'ai pas peur. Je suis un job. Tu penses être un job Ce que tu ne sais pas, c'est que tu portes une double empreinte. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tout cela t'arrive Ton étoile dérange, petit. Ouvre grand tes yeux. Le temps est venu pour toi de te découvrir. Les dieux n'ont jamais laissé l'Afrique. C'est les Africains qui ont failli à leur mission. Et ça, Thomas l'avait compris. Et ils l'ont tué. <laughs> qui t'a dit qu'il était mort Ils ont tué un homme, mais son combat, sa dévotion envers son peuple reste éternelle mais l'âme de Sankara vit en toi. Voilà ta mission. Lorsque tu feras le choix d'écouter et non parler, de sauver et non tuer, d'unir et non diviser, tu réussiras. Tu es le sauveur de ton peuple, sauveur d'Afrique. Oui, allô. Allô, Billy. Ben, kon gisal nga sa bop yow. Wa mais du ci man ci. ma wax nga mais ñom ñoo écoute man xawma ma pas yow la xam ma wax la def le tout fekk ma Abidjan. fan Abidjan. oui sou bi ngeen di set fofu la oui sa jabar mu Abidjan da ngay Abidjan sinon moi je me barre à retrouver ma chabie. est-ce qu'il y va Abidjan. xam nga gars yi ñun tam comme ay marchand ambulant quoi dañuy wër dëkk bi di dox di xoole rek dama sonn dama xiif ma xiif bàyyi. booy c'est ba léegi instant bi ñoo ngi dund ah nañ sant alhamdulilah quoi dama lay wax quoi. mais yow gars yi dund bu ànd ak xiif fu mu am àndul léegi loolu àndul man xiif ah. bonsoir monsieur. je ne comprends pas ce que vous dites. j'ai faim. vous avez faim ok si y a la nourriture. tenez. c'est pas chaud. non pas chaud chérie c'est pas chaud. ça c'est bon. c'est doux. c'est la nourriture de poulet. poulet. seulement. oui oui le poulet. Il n'y a pas autre chose. Ah, on dirait que ça vient du paradis ça. c'est l'assaisonnement qui fait le goût. Ah, oh Seigneur. j'arrive.

Oui, fii amis sont là, hein. ah. On est ici.

Mmh, mmh. Maintenant, tu parles comme ça. Il y a une idée top. C'est vraiment merveilleux de me retrouver là avec toi, chérie. Uh-huh. Et je te promets que dès que je prends mes congé, on fera le voyage. Waouh <laughs> Et je suis très contente. Ah, mais il y a de quoi. Je te dois. Qu'est-ce que vous me voulez encore Le baron a besoin de toi et c'est maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, chérie Chérie, je, je t'expliquerai après. <laughs> Va-t'en c'est mieux que tu partes. Non, je t'explique après. Hein. Si c'est pour une question de rein, je n'en ai plus. Qui t'a parlé de rein Suis-moi. passé. C'est quand on... Attends, attends. Ok, on va faire. Ouais, c'est mon gars. C'est le Sénégalais. Yoro, yoro foofu dara. waaw attends xanaa yaboo ñu benn yoon. donc def wala lan. daanaka l'argent la sëñ yi fi te fekk yoroo fukki dërëm. yow booy yow depuis sànq waxoo nga bàyyi ba lekk ba suuf li nga wax. dañuy de. bon maintenant attendez. il y a notre frère qui est là-bas. Je vais l'appeler comme ça, lui. Donc, non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on mange, on paye. Non, maintenant, vous nous emmerdez. Non, non, non, non, non, non, non, non, Pardon, pardon. Qu'est-ce qu'il y a Maman, ils ont mangé, ils n'ont pas payé. c'est eh, oh, eh, oh, oh, vrai, c'est pas payé. quoi C'est pas ça, c'est pas ça. Excusez-nous. Excusez-nous, madame. En fait, ce qui se passe, c'est simple. Oui. On va vous expliquer. Oui. On, vient du Sénégal. Oui. Sérieusement, on avait tellement faim et on n'a pas d'argent. Et, là maintenant, on n'a même pas où dormir. Oui, maman, c'est des imposteurs. Non, je crois pas. Tu sais, ici, en Côte d'Ivoire, les Sénégalais ont toujours eu une bonne conduite. Hein. Ils ont mangé où Ils ont on mangé, a mangé là on sait on a mangé. Kii du ñu dimbali. bopp yaboo yi chevaux tanti donc vous n'avez pas payé. non on n'a pas payé c'était combien. C'est combien C'est 7 000 maman. C'est 7 000. C'est 7 000. Est-ce que c'est 7 000 C'est 7 000. 10 000. D'accord Tu gardes la monnaie. Et vous, vous venez avec moi. Je vous sors de là. Non, non, non. Faut rendre la monnaie. Faut la monnaie. Donne-nous notre monnaie. Moi, j'ai pas peur de toi. Hein, vous avez dit que vous ne savez pas où dormir. C'est pas ça. Pourquoi Où vous avez dormi hier En fait, nous, on ne connaît pas Abidjan. On a voyagé toute la nuit. Toute la nuit, on a voyagé. Ok, donc moi, ce que je vous propose, on va aller chez moi à l'hôtel parce que j'ai un hôtel, je vais vous héberger. Ah hein? Vraiment Oui, oui, vraiment. Je connais le Sénégal. moi Je connais. Ils Merci sont beaucoup, très madame. Merci beaucoup, madame. vous êtes très gentil. Tu sais, maman, si c'était pas toi là, si c'était pas toi, je donne non, toi, On y va. Et c'est quoi ça Quoi Mais c'est toi moi quoi Je te reconnais. Tu me reconnais d'où on a fait l'amour Quoi Toi tu es ou quoi Je te reconnais, c'est toi. Mais c'est pas moi Si, si, mais c'est toi, mais tu vois. C'est pas moi Je te reconnais. Là, il Vous êtes très gentil. Eh, merci. Vous êtes très gentil. Mais là, je vous emmène. Hein. Je vous emmène. Montez. Montez. Il va, mon. Mais. On y va, Caillou Il est avec nous. Il est avec vous. Oui, il est avec nous. Ok, viens, bébé. Viens. Allez, viens. Tu me casses pas les couilles. Tu Mais c'est pas moi. Mais c'est toi, je te reconnais avec nous. On y va. lan nudem. ñu dem. dem fan. Ça dit, jéem a comprendre ñu dem. mais ba la ngeen lijjanti. oui s'il te plaît de oto bi la place. Bye. Charles, qu'est-ce que t'as es malade Écoute, j'ai une poule qui refuse de pondre. J'ai attendu neuf mois et j'en ai ras le bol. Ok Je veux que tu m'ouvres le ventre et tu me sors le contenu. La carcasse, j'en ai rien à foutre. T'as pigé Alors, tu es prêt Donc, euh, je ne suis pas seule. Je suis venue avec des invités. Voilà. Bonsoir, monsieur. Voilà. Donc, au nombre de quatre. Bonsoir. Voilà. Euh, vous avez des chambres oui, Ok. Vous allez les installer. Vous leur accordez ce qu'ils vont demander, à manger et tout ça. Faites-leur visiter un peu la piscine. S'ils veulent nager ce soir, accordez. Mhm. Sauf l'hôtel. Bien sûr. D'accord Voilà. Vous passez une bonne soirée. Merci. Hein? Merci. Au revoir. je pense que tu as peur de la nuit ou de l'eau Entre les deux. <laughs> je pose mon verre. <laughs> Et ici, c'est chez moi. Donc, je nage comme je veux. Ah. La nuit porte mon nom. La nuit <laughs> La nuit porte ton nom. C'est quoi ton nom Joe. Oh <laughs> Goody Diop. ce soir, c'est notre soir. benn absence su moomoo metti na torop mais tu sais que nous ñëpp on en souffre Maman, on a grandi ensemble xam a ne torop mais guerrier là. eh il va nous revenir ok dina ñëwaat. Um, même pas un mail message appel tout dara pas Je ma mail? ne sax si ci lan la pas de nouvelles bonne nouvelle n'est-ce pas. et puis je ne sais pas gis Diobène mu de fayda. Hmm? il faut qu'on soit forte.

instant bi du la fen quoi sonn nañ tal nañu lekk tal nañu naan libéré ñu ñu ñibbi quoi du la fen Ben tu es têtu est-ce que xam nga li leen dal ni yépp yow yaa leen ko teg lan moo tax mënu leen déglu liñ leen di wax li leen dal ko dërëm démb. eh xam nga la ñëwuñu fi pour ay règlement de compte et eh, danga may bàyyi tu sais yow da ma joxul ben raison bu war a tax man mané damay tok di xaar sama jabar accoucher pour Madame diko sauver sama jabar mom ëppal importance ce que j'ai fait si c'était à refaire dama kay defaat dis-nous mune qu'est-ce qui va se passer ici à Abidjan Wow. Elle est très fatiguée. Vous êtes sûr qu'elle a déjà fait une consultation prénatale Contente de faire ton travail et pose pas de questions. T'as compris D'accord. Mais son état est très critique. Il va falloir que je fasse une césarienne. Je dis ferme-la. Fille, man commande commander du yow et puis yow da ngeen yaakaar ne jël sen jabar dem nonu la yombe est-ce que xam ngeen ñi ngeen amal affaire dama bëgg ngeen ak dal ngeen tay. li man makoy régler. ce n'est pas le moment ñooñu ñu fini pour ànd ak dal xam nga la duñu joggi Dakar on a galéré instant bi nii amuñu pour ànd ak dal dag ñuy wax naka lañ mëna da pour génn ci tu nous le dis. Vous m'aidez s'il vous plaît doucement, doucement. man si je leen di c'est parce que mon devoir laay mais je lu leen mais yo yo, à kan. on ne pose pas de questions mon ami. il est prudent de se poser des questions quand un homme nu t'offre une chemise. Il est plus la. Bon. En un moment. Non, Pile, tu n'as rien à dire, mon ami. Alors, ça y est, processus enclenché. Ah, oh. euh, mais dis-moi, tu es sûr que tu veux pas... Non Non hmm. Rendez-vous dans deux heures au Black suma ay nit dinañ leen fa lieu bi. ban est en terme man ma xam fan la te duma leen ko wax signal d'accord mais qui pour qui les on dégage d'ici. Oh. Mo Alors comme ça, tu pars. C'est une question d'honneur. Tu me reviendras souvenir, rien que ça en souvenir de toi. Godidiop, je connais ton cœur. Ce cœur-là, je le connais. Tu pars et je vois aussi le danger pour toi. Fais attention à toi. Lorsque tu verras ton totem. Tu as un totem. As-tu un totem Parce que je le vois. Alors, lorsque tu le verras, tu seras proche de ta destinée. Et j'espère que j'en ferai partie. Tu vas manquer. Avec quoi là Alors, écoutez-moi. Il faut qu'on se disperse. Ok. Doudou, tu viens avec moi. Voilà, matière. échoué. La secte m'a abandonné. Je suis foutu. Hey, Anissa Madjabar, tu feras le choix de sauver et non tuer. Tu réussiras. Lâche l'affaire. Lâche. Non, non, non, il faut qu'il paye. On est venu jusque-là, on va pas échouer. Mmh. Lâche l'affaire. Mmh.

Oui, allô Oui. Mission est accomplie. Momo récupère un Khalebi. Mhm. Mais il y a un souci. Ah bon Momo, il veut rester ici, à Ouagadougou. De toutes les façons, on s'en tient au point. Je ne sais pas. Je, ne peux même pas te dire. Laine il faut que je suive ma voie. je mérite quand même une explication. Pote, je dois me découvrir au fait. Et c'est le choix que j'ai fait. C'est mon choix. Je je te reconnais plus Est-ce que tu tu es sûr que ça va. ne rends pas les choses beaucoup plus difficiles Soumawa c'est parce que j'attendais beaucoup plus de compréhension de ta part s'il te plaît comprends cette décision. Kiné ben frère tu sais comment la famille compte pour moi c'est une décision très difficile que j'ai dû prendre nga tay su amé sañ-sañu jël décision bu melni c'est parce que xamna né lima baye sama ginnaaw dafa wóoru je te fais confiance. mais lan kay wax. tu trouveras s'il te plaît. wàcc quoi. léegi na jug da suñ demee kër gi dinaa la expliquer. Pod wax ma animu mu animu. il ne viendra pas. Pod wax ma fan la sama jëkkër nek animo mo Pod wax ma. Qui t'a dit qu'il était mort Ils ont tué un homme, mais son combat la dévotion envers son peuple reste éternelle. Tu es le sauveur de ton peuple.

ce sécurité, ça faire, allez, Fais-le. C'est bon, je vais t'inquiète. Ok. Et, et l'autre L'autre Ben l'autre quoi À la poubelle Attends, j'ai une meilleure idée. le 8, chiffre symbolique, marquant notre victoire. La victoire tant attendue. du Donchar, à la fraternité Nous sommes, à partir d'aujourd'hui, les maîtres du monde. Grâce à ce bébé, nous dominons le monde. À la fraternité. À la fraternité. Le pouvoir est en nous. le monde est à nous il est entre nos mains ci suñu loxo il est avec nous à la fraternité Mbok. la fraternité du mbokk deret non mooy ñu bokk gis-gis bokk fi ñu jëm bokk lu ñu bëgg li ñu bëgg ñun posséder dominer à la fraternité. à la fraternité. à la fraternité. à la fraternité. à la fraternité. à la fraternité. à la fraternité. à la fraternité. à la fraternité. À nous le pouvoir. À la fraternité. À la fraternité. de Sankara vit en toi. Voilà ta mission. Je suis prêt.